nyame yɛ kala de koko wa bi tawa kala de koko wa bi ɛlɛ yɛ kala de koko wa bi mana yɛ kala de koko wa bila ɛgbɛso

Voilà. C'est le Niger qui est en train de gagner. Le Niger qui a gagné. Merci à tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement. Ici même, au stade de la Reine de Niamey. Ah, Je ne vois en train de regarder un que c'est ah, un ami qu'on attend. Nous ah, un extraordinaire. Euh, pouvoir le demain, s'il plaît à Dieu, dans de très bonnes conditions, et qui commence bien, qui va finir bien, s'il plaît à Dieu. C'est le Niger, on est habitué à ça, parce que nous sommes tous une famille, un Niger. Depuis la création du Niger, merci au président euh, de la République qui ont essayé de faire tout pour mettre la cohésion sociale entre les ethnies. Oui, merci aussi, merci à tous les Nigériens et les Africains

cikin ta kake zo aka fara wannan kokowa mai albarka a cikin kasarmu a cikin garinmu mun gode wa shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazum da ya yi duk yadda za ya yi kullum yana yadda yake ya ga ya faranta ma 'yan kasa rai farin cikin shi kenan shugaban kasa na shi kokarin da yake kenan kullum ba duka tashi da yake ya ga 'yan Nijar suna cikin kwanciyar hankali

da shi kan mu yarda ya bace muna ba zai bace ba amma mu kara lura da shi ba da nan a eh, sun zama da tawa da yame sun zama da talabari da doso da malami Look at that. on a peine de se. Parce que c'est un choqueur. Un choqueur, j'ai bien dit. Tazar mu sanni da hausa sanni da fulan sanni. Tazar mu sanni fulan sanni hausa sanni. Balle da Allah. Haka yake haka kuma zuwa ga uwa min arziki. Almasro TV tana alfahari da ku barkamu da kuka kuka TV Allah na za ga wasanni da kuke jira gani masu ban sha'awa nan lokaci kaɗan za a wara in Allah yarda za a baku baya ba kan kula mu kan kuna Amurka Alman Sudan kuna Arabi Saudi kuma kuna Gine kai abin duniya gaba ɗaya kuke ciki da kuma shiga Facebook ko labaru a

Allah pour dire, ake tsaka kuma a kawo pour kamar pour ina wangaro berizini wangaro kambore mamila wangaro kama wangaro kuzini saka pour un pour Allah hino saka kunya fata ifose kurka mitulala seka Niger ko pour ko la ko isine kalbore de pour pour un peu

ne soit pas que vous donnez à l'État, voici c'est en fait pour vous. Les dispensaires, les pas presque beaucoup de choses. Nous nan na mai girma shugaban ƙasa zai tafi da motar shiga ta ga ta nan wannan kyauta ta dan malik to ga wata babbar sanarwa dan champion champion du Niger champion CDAO champion d'Afrique Bala Haruna ina magana da miyan president namu na ƙasa na kokowa Umfana Musa ya je senegal sun yi fitan shi sun yi hira da har wannan dan kokowa da suka yi kokowa a nan ya yi kuka ngo suka tarbe shi les deux invaincus, les deux lutteurs de Telaveri. Anas Adamu et Aliru. Et e, eh, ici, vous voyez Yacouba ne haruna haruna da amin ibrahim su santra ne galma aibo hassan yakuba da mu tarihi abokina ne alhamdulillah akwai da sunan federation ta kasa sallah da za a yi na layyane zawa na kai babban kokowa a abisa shi ba da sunan shugaban na federation ba da musa su alhaji ila a can abisa suna so da nijar take zuwa ta su kokowa da je ta ƙara waye musu kai ta ƙara raya musu gari birnin abidjan da yan kokowa namu na nijar duka wannan iya cikin aftikin federation Inda a bana allah ya sa kun gaba kokon takobi ga ku abdel ga kuma da eh, sanar ministre de la jeunesse ga kubcin mai girma kallahu kulau ga kubcin mai girma kubaban ga kubcin yau president de la republique kun kaɗai ba a zama da haka nan ba kuma ina cikin artikin federation ta ta kasa ko jama'a eh, da sanarwa eh, su tuwa ko tuwa kati shi ne ake so a yi kokowa na ana ana nije ana nyame za su zo kwantara ce kokowa kuma su koma gida eh, Thank you. to za mu je ga kokowa muna tuna muku sponsor partenaire la DGI partenaire officiel l'état fort de la coupe du président de la République avec la DGI avec la Nigérie avec la Nigérie le courant passe sans la Nigérie il n'y a pas de courant avant la Nigérie wanda magana ba da yawa shi da malama su tara kuma amini na inshallah donc notre sponsor officiel nous avons commencé la vie ダムに5番の子は、あす言葉。

plus rouge à l'issue d'un combat de quelques 1 minute 30 secondes. C'est nous Hassan qui a terrassé Merci, merci de continuer à nous suivre. avant la finale à suivre. Isaki Isaka contre Sakiru, C'est le Niger qui gagne. La victoire sera nigérienne de toute façon. Lutter est synonyme d'union et synonyme de cohésion. vivre ensemble, nous sommes une famille. Es la final avant la final. chevalier. Zakir Zakir ceinture rouge contre Isaac Isaac ceinture blanc. doso zakiri zakari santi rouge tawa la finale avant la finale à suivre kalifa kana maki mu da musa yasa da kilanta da takaranta da suna da halin da kana maki da musa kuna da tsaro na sunan da maliki da maliki tafi ibrahim Mes chers amis, viens partager, partager, partager, partager, partager le direct. Partagez ce contribuer. Nous vous prions s'il vous plaît de partager. Il faut partager. كذا وكما في رجل الأحزاب بسورة ثلاثة كذا كما الثلاثة كتاب موسى هو رئيس قوة على الأحزاب أبجدت مع تجدت من جدت من جميع الرسالة مع تجدت من جدت أتوقع Bravo, televisão de Miguel. Zakidou, Zakari, de Tawa ah, en ceinture rouge, Isaac, Isaac, ceinture blanche. Et de chaud. combat, le deuxième combat de la soirée. C'est entre Zakir Zakari Natawa à Isaac Isaac on n'a pas encore lutté. Nous sommes, euh, nous à la, au deuxième combat de la soirée. a Zakari. Merci maestro, merci beaucoup aussi à vous, mais veuillez continuer à partager. C'est ce qu'on attend de vous. Partagez. Partagez s'il vous plaît. c'était sur les sacs. Heureusement pour lui, c'était sur les sacs. apporter plus de lumière et d'énergie à vos vies. Être disponible et à l'écoute, cela sera désormais concret. C'est qui demande euh, depuis quand Delta lutte pour euh, voilà, voici qui est en train de faire des tours et des détours à côté de désormais ami une déclaration de panne, un besoin d'information ou d'assistance, n'hésitez pas. Appelez ASKE au 84 90 90 90. ASCI, call center qui rassure 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est chaud à l'arrêt Il va dire, quand il va le voyer arranger. yiriyan kan ir gobe ni ir gobe kan En tout cas, c'est un match chaud, de Tawa contre de Maradi. A l'issue d'un combat d'une minute 30 euh, secondes à peu près, c'était Nora Sen qui a terrassé euh, vallée de Maradi. Donc Maradi n'a plus de joueurs en compétition. Tout comme Zender, Bifa, Paradez. Vous êtes en train de suivre le deuxième combat euh, de cette soirée. Ce match-là doit être suivi par tous les amateurs. C'est l'un des matchs, c'est l'un des... C'est l'un des combats les plus suivis, l'un des combats les plus attendus de la compétition. Connaissant le talent des deux lutteurs, c'est la finale en bas de la finale si nous pouvons nous permettre. la Calareno, Juniamén. Kaki ce Zakir Zakari. C'est ça je vous assure, ici dans l'arène hein, de Niamey. Les amis, continuez à partager, s'il vous plaît. Continuez à partager, continuez à partager. Pour que beaucoup de personnes puissent... vient d'éliminer il est en train de comme ses habitudes la Michelette la monsieur de il quelque chose il est en train de verser il est en train de verser voyez-vous Eso del la Aminu Ibrahim, Aminu Ibrahim, quem é a mãe contra o Alan? É Televeri. Eu rappelo que Alan sentir o le, celui que a terra sei que era, aí com Hassan. Thank you. Vous êtes en train de suivre le dernier combat de cette soirée, de ce quart de finale qui va opposer tout à l'heure Yacouba Niamey contre Anas. Anas de Tel Aviv. Anas ceinture, ceinture bleue. رجع malama da sa wannan shigar group yau da da ya

Maïssa Bio Rouge, Anas, Madame, Zanpiro Gola, Neteleberi. Merci, merci d'avoir choisi un Maestro TV pour faire vivre cette Coupe présidente de la République. À tous ceux qui ont partagé le direct, que Dieu vous bénisse. Quant à ceux qui n'ont pas partagé, je vous remercie. Yakubu Adamu ceinture rouge Anas ceinture bula na jere 我不管。 Happy la soirée.